alaykoum alaykoum euh comme ni leen ko waxane rek euh, euh, ñoo ngi fi ci Paris euh, fas yéene ànd ak yéen si conférence de presse bi nga xamné monsieur Juan Branco mom la wara amal fii ci Paris ci fi nga xam ne mooy da leen bëgg a découvrir l'endroit bi nga xam la defee conférence de presse bi xamal nañu ça va démarrer dans quelques minutes dans une dizaine de minutes donc. Euh, nous faisons un àndal yéen ci parc de découvrir leen parc bi nga xam ne organisateurs euh, responsables du parti Ousmane Sonko que ça c'est l'honorable député Ali Ali maa ngi ziar. a une conférence de presse bi qui fii. Hmm. Euh, ci Paris avec euh, l'avocat de Ousmane Sonko monsieur Juan Branco avec ses 4500 preuves été ban jàngat ngay def si mbir moomu avant ñuy door avant ñuy jàkkaarloo ki nga xam ne mooy monsieur Juan Branco. waaw jàngat bi c'est très simple hein, parce que euh, gis nañu événement malheureux yi nga xam ne moom la Sénégal dund. Euh, fan yii yëpp comme ça. tey tey tey la wax kon. ma ne c'est très c'est très malheureux. ma ne gis nañu comment ça va gis nañu événement malheureux yi nga xam ne moom la Sénégal génn. mu am euh, beaucoup de de décès. Mhm. décès loolu aussi am dans des circonstances yoo xam ne yu doy waar la. Mhm. te li ñu gën a jaaxal commencé wul léegi. Mhm. ça commence depuis mars 2021. où ñu gisoon ne am nañu 14 doomu Sénégal yi ñu boobu. dans des euh, circonstances yoo xam ne kenn xamu ko. Euh, dès lors que l'État li nga xam ne moo censé garantir li nga xam ne mooy la paix sociale. li nga xam ne moo censé garantir les droits. des Sénégalais. boobu ba léegi amul benn jéego. bu ñu teg en place pour illustrer ces meurtres parce que gis nañ ci ñu bari ñoo xam ne leen boomoon et balle réel moo leen rey donc euh, bi ñu defee loolu noonu le ministre d'alors euh, Sidi Kakaba pour ne pas le nommer mu génn wax ne dinañu def une enquête indépendante deux ans et demi après dara amu ci donc Mohamed donné une manifestation dans les conditions que vous connaissez Jérôme ma ci lo xamné loo nañ a ay caaxaan ay trentaine de personnes de Sénégalais décédés ci waat mhm. loolu bu on pensait que cette fois-ci l'État allait être responsable mhm. ouvrir une enquête sans attendre mhm. et puis voir Sénégalais d'où Sénégalais nous la moo leen mais gis ñu sa état bi que dans une euh, campagne dans une machine même qu'ils ont mis en branle une machine de manipulation et de mensonge euh, jusqu'au plus haut sommet de l'État, parce qu'on a vu quand même des ministres qui occupent des fonctions régaliennes euh, sortir devant les Sénégalais, il n'y euh, a pas eu d'enfant qui a été servi de bouclier humain, etc. Nous sommes dans un déni total. ci loolu nag lañ bah, comme que on a un état pour ramener parce que nous, le Sénégal a cessé d'être un état de droit parce que l'État yi nga état de droit Sénégal ou en tout cas parce que quand on voit perpétrer des crimes de masse ni les forces de l'ordre ni c'est des miliciens armés qui opéraient de manière impunie aux côtés des ordres de l'ordre la moindre des choses c'est que l'État devrait quand même ouvrir une enquête pour élucider le monde entier et depuis deux ans et demi il n'y a donc c'est dans cette euh, mesure là qu'on s'est dit qu'il fallait absolument que nous euh, collections des preuves et essayer de faire en sorte que ces crimes-là ne puissent pas rester impunis. Oh. Donc c'est dans ce cadre-là que M. Juan Branco, en collaboration avec PASTEF, en collaboration avec tous les Sénégalais, parce que la plupart des preuves qu'on a collectées viennent directement des Sénégalais, mm-hmm. à l'instar des vidéos, il y a pratiquement tous les médias euh, nationaux internationaux diffusés Nous avons cette collaboration là pour essayer de faire sénégalais boo xam ne ci bakkan wala tu as été euh, t'as pris des balles réelles ramener, hum. qu'on puisse euh, faire un une carte xool ku ci nekk lan moo comme que état bi ñu war a représenter deful liggéeyam. Mhm. ñun on fait ce ce travail là. d'accord jëpp ko nag lépp li nga xam ne mooy les juridictions internationales. Mhm. parce que nit ñi ngi wax CPI CPI rek mais yamul CPI. Mhm. fépp foo xam ne li ñuy woowee euh, Sénégal signé na fa des ratifications pour pouvoir. Euh, être être justifiable une fois déposer pour que les crimes les auteurs en tout cas de ces crimes là que muy policier que nous euh, politique que muy nervi que nous milicien etc., que nous puissions répondre leur acte. est-ce qu'il y a plainte qui aboutir à la. bien sûr bien sûr il n'y a pas que la CPI. Il hum. faut ramener encore une fois parce que. si si le Sénégal. Hum. d'accord en tant qu'état de droit. Hum avait fait son travail, aujourd'hui, on ne on devait pas faire recourir à ça. sur Parce qu'on est des Sénégalais, des Sénégalais à une institution qui sont censées indépendantes pour faire ce travail-là. Mais encore une fois, pourquoi je me permets de faire l'historique Parce que ça a démarré depuis mars 2021. Et depuis mars 2021, a ben Diego D'accord Donc il y a un État qui est là pour protéger Nyen et pour brimer ñeneen ñi donc nous, nak ñu nous ne mënul donc comme que Sénégal encore une fois doit ratifier mhm. des conventions internationales mhm. fait pour amener le Sénégal s'il na veut, mhm. nous dinañ fa dem on dépose plainte et encore une fois les auteurs de ces crimes là odieux qu'ils puissent répondre leur acte tout simplement Macky Sall démb na Paris. Hmm? mais mbooloo mi génn nañu militants yi génn nañu. def na sax acte de candidature. non est-ce que nekkul ne riposte le seen mouvement bu grave de ngeen une euh, euh, manifestation après le. les événements Macky Sall amul Macky Sall il est fini Macky il est vomi par tous les Sénégalais. La preuve dimanche il y a quoi trois ou quatre jours on était ce qui est communément appelé son fief muy mat la jolie. bu fa tous les journaux français l'ont repris. l'opposition fi nga est censé être son fief l'opposition est allée là-bas pour mettre un tampon et pour montrer au monde entier que Macky Sall ne représente plus rien dans la diaspora. La preuve, Macky Sall fait pour à Adounebi, il est hué. Donc, euh, on ne peut pas user de, de, de stratagème. Nous avons fait collecter des cartes, le mettre dans un truc et s'offrir en bande de foule, c'est ridicule. C'est même ridicule la part du président. Conférence, ban heure les démarrer parce que 11 heures la actuellement. Bah, hein. là, ça va démarrer. Ça va démarrer. Là, ça va démarrer. Il, est installé. Ça va démarrer. On va on va aller à l'intérieur. Merci beaucoup, monsieur le député, Ali député euh, Aliou Sall, euh, moom député Pastef la diaspora euh, moi lañ doon def Ben genre mise à bouche Nous, ñuy dugg ñu si salle bi nga la conférence de presse bi nga xam ne Juan je suis ici pour vous annoncer le lancement de procédures pour crimes contre l'humanité commis au Sénégal depuis le mois de mars 2021 par le régime en place. C'est une démarche qui est grave, qui est lourde et qui va entraîner pour les conséquences, pour les personnes dont nous allons parler, des conséquences pour le restant de leur jour. Car les crimes qui ont été commis sont imprescriptibles. Et que ce soit aujourd'hui ou demain, sous ce régime ou le suivant, du fait de ce procureur de la Cour pénale internationale, qui avait visité Dakar quelques mois après la commission des premiers crimes, et alors que 14 citoyens des armées avaient déjà été assassinés par des forces de l'ordre dans le cadre d'une répression politique, dans le cadre d'une visite où il avait loué M. Sall et le Sénégal, que ce soit donc lui ou la personne qui le suivra, les personnes dont nous allons parler auront à répondre des crimes qu'ils ont commis, ordonnés, planifiés et fait exécuter. Nous avons mené ce dernier mois une longue enquête avec la participation de centaines de Sénégalais que je tiens ici à remercier des citoyens, des fonctionnaires, des gens travaillant dans l'ensemble des administrations du pays, qui nous ont apporté des éléments de preuve, des documents, des contrats, des vidéos, des témoignages, qui nous ont permis d'établir l'existence de 60 crimes de meurtre considérés comme crimes contre l'humanité, de plusieurs milliers de crimes d'emprisonnement en violation des normes de droit international, de plusieurs milliers d'attentes à la vie et de blessures, et enfin d'actes de persécution et d'autres actes inhumains. Ces crimes ont été commis, et pardonnez-moi le jargon, mais c'est important, dans le cadre d'une attaque générale et systématique contre une population civile, à savoir des Sénégalais qui euh, cherchaient pacifiquement à défendre leurs idées, à s'opposer à la présentation de leur président un troisième mandat contre ce qu'ils considéraient être les règles constitutionnelles, en particulier l'article 27 de la Constitution, et qui plus généralement cherchaient à avoir une représentation politique par le truchement d'un certain nombre de candidats que le régime avait décidé d'éliminer. Parmi les victimes, il y a aussi euh, des fonctionnaires qui ont été euh, persécutés du fait de leurs idées. Il y a des citoyens qui n'avaient pas d'engagement politique particulier, et qui ont euh, subi euh, des crimes de meurtre du fait de l'utilisation de balles réelles par les forces de sécurité, par des nervis, alors même qu'ils étaient sans rapport avec les faits dont la situation euh, les a amenés à se trouver confrontés. Ces crimes, nous les avons vérifiés individuellement de façon indépendante des travaux qui avaient déjà été menés par des organisations internationales que ce soit Amnesty International, que ce soit Human Rights Watch, que ce soit le Haut Commissariat aux droits de l'homme, que ce soit enfin la Croix-Rouge sénégalaise, qui ont tous constaté l'existence d'une répression particulièrement féroce, qui avait vocation à utiliser la violence politique à des fins de perpétuation au sein du pouvoir, dans un contexte où la découverte de ressources gazières et pétrolières sur ce territoire a créé une avidité et une volonté de se maintenir coûte que coûte dans une position que la Constitution interdit d'accaparer. Je suis, vous savez, parmi d'autres confrères, l'avocat d'Ousmane Sonko. Mais je suis aussi, dans cette procédure, l'avocat de nombreuses parties civiles, d'individus qui ont été victimes directement de ces violences, dont certains sont français et sénégalais, ce qui va nous permettre, c'est le deuxième point, de déclencher des procédures, en France également, complémentaires à celles qui ont été menées auprès de la Cour pénale internationale, de façon à ne pas dépendre des effets de pouvoir qui euh, influencent cette institution, dont on sait euh, ce qu'elle peut avoir en termes de rapport à la compromission, et pour s'assurer évidemment qu'il n'y aura pas d'impunité et que les dignitaires de ce régime ne, pourront plus ne puissent plus remettre les pieds sur le continent européen sans craindre de se voir arrêtés. Nous avons reçu plus de 4500 éléments de preuve vérifiés qui euh, ont trait aux événements depuis mars 2021. Ces éléments, nous avons vécu avec, jour après jour, ce dernier mois, essayant de vérifier qui en était la cause, qui en était la victime, dans quel contexte était intervenu, et si en effet cela avait un lien avec la répression politique dirigée par, par le régime sénégalais. Nous en avons gardé 710 qui servent de support à cette communication de 170 pages que nous avons transmise à la Cour pénale internationale, en particulier au bureau du procureur, à qui nous demandons d'ouvrir sans délai, à partir de ces éléments, un examen préliminaire et une enquête, et de se saisir de lui-même au titre, de l'article 13. Nous avons entendu, dans le cadre d'une conférence de presse où quatre membres du gouvernement ont tenté de répondre par avance à nos arguments, qu'il euh, fallait qu'un État se saisisse de la Cour pénale internationale. C'est faux. Toute personne, au titre de l'article 15, peut transmettre des éléments à la Cour pénale internationale et au bureau du procureur pour qu'ils s'en saisisse. Mais nous prenons euh, les mots de, du ministre des Forces de la Défense. Nous prenons les mots et nous lui demandons de saisir lui-même la Cour pénale internationale. Que le Sénégal, s'il est le pays des droits de l'homme, comme il le réaffirme, si, si ce régime respecte, comme il le dit, le statut de Rome et les conventions internationales, qu'il aille sans crainte saisir le bureau du procureur pour laver son image et son honneur. Qu'il tente, et l'on verra alors quelle sera la réaction et si en effet des crimes contre l'humanité ont ou non été commis. Et je note que ce ministre n'a pas nié l'existence de crimes, mais a tenté simplement de justifier qu'il n'était pas assez grave pour saisir la Cour pénale internationale. Je pense que les images qui sont diffusées en ce moment derrière moi, de par euh, leur nombre, de par euh, ce qu'elles montrent, suffisent à comprendre à quel point cette position est absurde. Par ailleurs, un argumentaire juridique détaillé que nous laisserons en accès libre permettra de démontrer que nous atteignons sans aucune difficulté le seuil de gravité qui est requis par la Cour. Je souhaiterais vous partager quelques noms de personnes qui sont responsables des faits que vous êtes en train de voir derrière cet écran. Nous avons aujourd'hui identifié 112 suspects sur l'ensemble de la chaîne de commandement que nous avons reconstituée. Parmi ceux-ci, je voudrais commencer par un compatriote, M. Khaled Belabad, conseiller technique auprès du ministre de l'Intérieur. Le sixième, CT6. M. Belabad a été dépêché par la France auprès du ministre intérieur, afin d'assurer quelque chose qui est en place depuis euh, la décolonisation, c'est-à-dire une coopération technique qui permet à la France de suivre en direct les actions du gouvernement sénégalais, d'être informé de toute décision qui est prise au cœur du pouvoir et de l'appuyer ou au contraire de tenter de la censurer. Aujourd'hui, la France n'a rien fait pour éviter les massacres dont on parle. La France a continué à fournir des armes, la France a continué à soutenir le régime, la France, aujourd'hui, accueille Macky Sall sans avoir fait une déclaration condamnant les violences en question. Monsieur Belébad a suivi au quotidien les organisations qui, les réunions qui organisaient ces violences au sein du cabinet du ministre de l'Intérieur et les a rapportées à son ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur français et aux autorités françaises. Il est donc complice de crimes contre l'humanité. Monsieur Jean-François Gaume, colonel, a joué le même rôle au sein de la gendarmerie sénégalaise, auprès de Monsieur Moussafal, au commandant de la gendarmerie nationale. Il est complice de crimes contre l'humanité. Au sein de la présidence de la République, Monsieur Macky Sall a mis en place un système qui s'appuyait d'un côté sur l'utilisation de forces de l'ordre légales dont nous parlerons, et d'un autre côté sur l'organisation de ce que l'on appelle des nervis, c'est-à-dire des forces miliciennes, paramilitaires, financées par le gouvernement et par ses fonds spéciaux pour maintenir l'ordre, selon ces termes, pour commettre des crimes contre l'humanité il s'est appuyé sur un premier cercle d'intimes, en particulier Mariam Faisal, sa femme, et Amadou Sal, qui ont organisé le recrutement et le financement de ces Ils sont responsables à titre principal de la commission de crimes contre l'humanité. Au sein de cette présidence, Meissa Selendiaï, aide de camp, a participé à l'organisation de ces faits, aux côtés notamment d'un certain nombre d'individus, dont Abdoulaye Sall, pardon, dit Leïkara, le chauffeur du président, qui faisait le lien avec les organisations de Nervi. Autour de la présidence, des éléments extérieurs sur lesquels nous reviendrons, dont un certain Forban Gom, Griot, ont joué un rôle extérieur qui consistait à créer des fiefs, à eux-mêmes constituer des groupes paramilitaires, à les armer, de façon à s'assurer que des crimes contre l'humanité soit connue, afin d'armer ces nervis. La présidente de la République, elle-même, directement, en tant qu'institution, a mis en place des commandes d'armes particulièrement massives dont nous avons retracé dans le moindre détail le cheminement. Ces commandes d'armes ont été organisées avec l'aide d'un intime de Matissal qui s'appelle Gabriel Peretz. Gabriel Peretz, à la tête d'une société qui est bien connue, a fait livrer 104 tonnes d'armes à la présidence de la République au deuxième semestre, semestre 2022, ces armes sont en partie encore stockées à l'ancien aéroport Léopold Sédar Sangor et font l'objet de distributions régulières et notamment de placements dans des caches dans certains espaces du territoire sénégalais de façon à pouvoir être mobilisés en cas de crise, crise politique. Ces 104 tonnes d'armes constituent principalement des munitions pour des armes lourdes et des armes légères, ainsi que des armes légères qui ont délivré et qui sont à disposition de la présidence en dehors, en dehors de tout contrôle démocratique, comme s'il y avait la possibilité de s'approprier ces faits-là. Le financement de ce contrat nous semble être lié à toute une série de fonds spéciaux qui échappent au contrôle politique sénégalais et des représentants de la nation sénégalaise. Ils sont permis aussi par des avances qui sont faites par Gabriel Peretz, des lignes de crédit qui ont été octroyées jusqu'en 2024 à hauteur de 300 millions de dollars. Nous avons une attestation de la maison militaire de la présidence de la République, du colonel Adam Agueil, complice de crimes contre l'humanité, pour avoir, je cite, je sous colonel Adam gouverneur militaire du palais, certifie par la présente que les matériels énumérés ci-dessous, fournis par la société ADECON LTD, seront exclusivement réservés à l'usage du palais présidentiel, munitions 5.56 x 45 mm, 200 grammes, quantité 3 550 000, munitions 9 mm, quantité 3 250 000, munitions 7,62 mm, quantité 210 000. Plus de 7 millions de munitions, je cite ce document de la présidence de la République, de sa maison militaire, signé par Adam 7 millions de munitions exclusivement réservées à l'usage du palais présidentielle, livrée, document signé 11 octobre 2022. Dans quel régime politique qui se veut démocratique, une présidence de la République se fait livrer à usage exclusif 7 millions de munitions Et quelles sont ses intentions dans la perspective de l'après Gabriel Pérez a procédé à ces livraisons qui proviennent de Saint-Pétersbourg, de la Russie. Nous avons retracé le moindre cheminement de ces munitions et de ces armes et la façon dont elles ont été livrées à Dakar. Et il y a procédé dans le cadre des très, nombreuses, des très nombreux liens qu'il entretient avec la présidence du Sénégal et avec M. Macky et il est donc complice de la commission de crimes contre l'humanité. M. Gabriel Peretz, qui est de nationalité belge, mais qui habite aujourd'hui en Israël, a été accompagné dans son, dans son travail par Marcel Zuckerman, et par Biram Koulibaly, euh, un aviateur, sénégalais pardon, qui a représenté la société, AD dans l'opération dont il est question. Il nous apparaît que cette commande a été réceptionnée par la société sénégalaise DTL 6 West au numéro 45 à Dakar, qui est détenue par un certain Halil, qui se trouve être un ami très proche d'Amadou Sall, qui est, à ce titre, complices de la commission de crimes contre l'humanité. Nous avons jusqu'au manifeste des conteneurs, nous avons jusqu'à la signature du capitaine qui a transporté ces armes, nous avons tous les éléments qui permettent de prouver l'existence de cette livraison et la présence de ces armes encore aujourd'hui à l'aéroport Léopold Sangor. Nous avons l'ensemble des réservations qui ont été faites par M. Peretz au Pullman de Teranga, sa présence notamment à la veille des événements de mars 2023 au Sénégal, probablement pour les préparer, et les conséquences qu'il aura à subir. Nous connaissons aussi le nom de ses collaborateurs, les personnes qui l'ont appuyé, et les conséquences qu'ils auront à connaître du fait de cette complicité, aux côtés d'un autre homme d'affaires, évidemment Tierno Ndomba, dont vous avez tous entendu parler, et qui joué un rôle cardinal dans un certain nombre d'opérations particulièrement étranges, pour rester modeste dans mon expression, d'ordre militaire, de commandes d'armement, qui ont été livrées là encore en dehors, dans, des, dans, dans le cadre de contrats de gré à gré, et qui complètent les éléments que nous avions déjà, qui permettent de déterminer l'existence d'autres contrats de cet ordre-là. Cela avait déjà fait débat dans l'espace public. Vous vous souvenez de ce contrat de 45 milliards de francs CFA avec le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances. Nous avons donc les moyens qui sont apportés aussi via euh, la société Noranco chinoise qui a travaillé sur un certain nombre de ces contrats d'armement à la présidence. Nous avons la structure de la présidence avec, au cabinet civil, un certain nombre d'individus particulièrement responsables et qui ont été impliqués au premier chef dans l'organisation de la répression et de la légitimation des violences qui ont été commises. Nous avons évidemment les responsables que tout le monde connaît, comme Mahmoud Saleh, comme Daouda Diallo, Abdoulaye, comme le général Joseph Mamadou Diop, ou euh, Mohamed Dion, mais nous considérons que les plus responsables au sein de cette présidence ont été évidemment le général Mbaye Sissé et Omar Wad, qui a été nommé le 6 avril 2023 dernier, dans, des, dans un particulier, ce qui, à notre avis, est le signe qu'il a eu une certaine difficulté au sein de la présidence pour maintenir son autorité du fait des événements et ce qui a amené à l'organisation d'un certain nombre de désignations. La commission de violence à des fins politiques exige une impunité. Elle exige aussi d'effacer les preuves de ces crimes. Elle exige enfin un discours qui permette de les justifier. Le ministre de l'Intérieur vous en a fait la démonstration à plusieurs moments. Nous avons découvert que cette organisation discursive, cette tentative de légitimation des faits que nous sommes en train de vous présenter, au sein de la présidence, a été mise en œuvre notamment par Yorodia, qui est le coordinateur de la communication présidentielle, mais aussi par Eladjim Malik Gay et Wandifab Rame. Au niveau de la communication, ceux-ci ont travaillé de façon coordonnée avec le porte-parole du gouvernement et avec d'autres instances pour s'assurer qu'il y avait une légitimation des actes qui étaient commis. Au niveau de l'organisation de l'impunité, le rôle évidemment d'Ousmane Roumba, qui est notamment important comme conseiller juridique du président de la République, dans l'organisation de la légitimation du troisième mandat, mais qui est aussi important, a un rôle cardinal dans la désignation des magistrats, pour s'assurer que les procureurs, que les juges n'enquêtent pas, et pour s'assurer que les enquêtes qui sont lancées n'aboutissent pas. Car il y a encore au Sénégal des magistrats et des fonctionnaires courageux qui essayent de faire la vérité, mais ce que l'on a vu et ce qui a été établi, c'est que depuis mars 2021, aucun des événements, je dis bien aucun des événements qui sont constitutifs de crimes n'ont fait l'objet, sinon de poursuites, du moins de procédures étant arrivées à leur terme, plus de 26 mois après les faits, ce qui nous amène aujourd'hui à mettre en œuvre la présente saisine. Nous en arrivons maintenant à l'organisation de l'appareil répressif. Une fois que vous avez les moyens, une fois que vous avez organisé les conditions qui vous permettent de vous assurer que cela pourra se dérouler, il faut que cela arrive. Et nous avons évidemment, à ce titre, nos deux principaux suspects, les personnes les plus importantes dans la commission de ces crimes et en courant la plus lourde responsabilité, M. Antoine Félix Diom, ministre de l'Intérieur, et M. Moussa Fall. M. Antoine Félix Diom a joué un rôle important, d'abord comme magistrat, particulièrement bien utilisé par ce régime afin de lui dégager la voie dans le cadre d'un certain nombre d'affaires sensibles, notamment l'affaire de Karim Wad et celle de Haït Fassal, et ensuite comme ministre de l'Intérieur, nommé peu de temps avant les événements de mars 2021, il a joué donc, je le disais, un rôle cardinal pour assurer au régime la possibilité de se perpétuer à tout prix au sein du pouvoir. Monsieur Antoine Félix Diom a tenté en mars 2021, comme entre les mois de mars 2023 à juin 2023, de prétendre que des forces occultes étaient responsables des crimes qui étaient commis au Sénégal. Cela, en soi, est constitutif d'une participation de crime à un crime contre l'humanité, pour la raison simple qu'il s'agit non seulement évidemment d'un mensonge, mais d'une tentative, d'une tentative de légitimer et de masquer la commission de ces crimes. À ce seul titre, M. Diom, par ces mensonges répétés et par ses tentatives de faire disparaître des preuves ou de nier l'existence de crimes tout au long de ces périodes, est passible de poursuite. Mais M. Diom, évidemment, a eu un rôle bien plus important que celui-ci. Il a en fait été au cœur de la chaîne de commandement afin de s'assurer que les forces de police et de sécurité soient dirigées de façon à commettre ces crimes ou à les laisser commettre par des nervis. Il a en conséquence, notamment par le truchement de son pouvoir de nomination, cherché à obtenir la possibilité que des personnalités particulièrement violente ou particulièrement prône à autoriser, voire à commettre directement des violences, est un rôle et une responsabilité au sein de la chaîne hiérarchique. Nous pensons évidemment à Seydou Bokaria, mais nous pensons aussi au directeur général de la police, qui, avait, qui était auparavant directeur général adjoint, qui était directeur général adjoint de la police nationale au moment des événements de mars 2021, et qui pourtant, malgré l'échec patent de cet épisode a été promu le 21 avril 2021. Pourquoi l'a-t-il été Était-ce parce que Ousmane Si refusait de continuer son prédécesseur sur la voie qui était proposée par le régime Cela, ce sera aux enquêteurs de le déterminer. Il y a évidemment Amadou Amadilam, directeur du groupement mobile d'intervention lors des événements de mars 2021. Monsieur Ndiaga Diop, son successeur. Masserine Faye, commandant de la GMI de Dakar. M. Ousmane Foll, commandant de la brigade d'intervention polyvalente, et surtout, surtout, Barra Sangari, commandant de la sûreté urbaine à Dakar, suspecté d'avoir commis de nombreuses tortures, d'en avoir ordonné aussi, et d'avoir de façon systématique procédé à des arrestations arbitraires pour intimider les opposants politiques et les manifestants. Ces individus, accompagnés notamment de Moudunga Diagne, qui a été directeur de la sécurité publique lors des événements de mars et avril 2021, et qui ensuite a été promu directeur adjoint de la police nationale, Ibrahim Adiop, commissaire de police divisionnaire, directeur de la sécurité publique entre avril 2021 et aujourd'hui, que vous avez tous découvert lors d'une conférence de presse indécente il y a quelques semaines, où tentant de répondre aux informations que nous avions diffusées qui nous permettaient d'établir que celui-ci cherchait à se désolidariser du régime, a été poussé par Antoine Félix Guillaume dans cette conférence de presse ridicule, dans laquelle le régime a tenté d'attribuer l'organisation euh, de crimes à des manifestants, alors que l'on a découvert que les nervis qui étaient montrés travaillaient directement avec les forces de l'ordre. Cette conférence de presse, organisée dans la précipitation, montre l'importance du travail qu'on est en train d'être mené, parce qu'elle a amené le régime à commettre une erreur fondamentale, à s'exposer, et du coup à être exposé par la presse internationale notamment, qui a démontré les mensonges qui avaient été énoncés. Au sein de la gendarmerie, nous avons aussi des responsables importants, et vous avez tous noté l'utilisation notamment d'enfants comme bouclier humain par les forces de sécurité. Cette utilisation est intervenue à de nombreux lieux sur le territoire de façon coordonnée le même jour, ce qui signifie qu'elle est la résultante d'une politique et non d'une déficience temporaire, ponctuelle, localisée d'une force de gendarmerie. Cette déficience, ce crime, a été commis par des gendarmes à chaque fois. Et donc la responsabilité de Moussafal, à ce seul titre, est engagé. Il est évident, en réalité, que la responsabilité de M. Moussafal est beaucoup plus importante. Nommé le 17 juin 2021, à la suite des événements de mars et avril 2021, celui-ci a évidemment joué un rôle fondamental dans les désignations qui, au sein de la gendarmerie nationale, ont permis la commission des crimes dont nous parlons. Nous avons identifié au sein de son cabinet des responsables, le chef de cabinet notamment, le colonel Pape Suleiman Sissé, mais aussi, évidemment, au-delà de son cabinet, de ses aides de camp, de ses adjoints en opération comme Papdirov, le chef du centre de renseignement cardinal comme Isadiak ou Sheikh Sar, évidemment le haut commandement, le haut commandant en second, Katiao, qui était commandant de la gendarmerie mobile auparavant et qui a été promu en juillet 2021, encore une fois, dans la suite des répressions qui avaient été menées. À ses côtés, que ce soit le général Daouda Diop, le lieutenant-colonel surtout, Abdoum Bengue, ou euh, Maguette Mbaye, Aliou Ndiaye et Omar Ndoye, nous avons au sein de la gendarmerie un certain nombre de personnes identifiées, notamment dans les légions de Dakar et de Casamance, qui auront à répondre de leurs actes un jour ou l'autre, et dont je rappelle encore une fois qu'ils seront confrontés à des accusations qui sont imprescriptibles. Et donc, à n'importe quel moment, en cas de changement de régime ou à l'étranger, ils auront, dont ils auront à répondre. La chaîne hiérarchique des forces de sécurité, c'est très bien. Mais on a vu que dès le moment où euh, la Cour pénale internationale a commencé à devenir un sujet au Sénégal, il y a eu comme euh, un mouvement de retrait de la, part de ces forces de sécurité et de défense, qui ont compris les risques auxquels elles étaient confrontées et les conséquences qu'elles pouvaient endurer. Et nous avons vu une bascule progressive de l'exercice de cette force vers ce qu'on appelle des Nous avons exposé au sein de la présidence les principales personnes responsables de l'organisation de ces réseaux paramilitaires en dehors de toute loi qui coopèrent, contrairement à ce qui a été dit, de façon très serrée avec les forces de l'ordre. La présidence est le donneur d'ordre, mais l'organisateur principal se trouve évidemment au sein du siège du parti présidentiel, à l'APR. C'est là que se retrouvent les pick-up qui ont été achetés de différentes façons afin de distribuer l'énergie à Dakar et qui, à partir de ce centre de commandement, va distribuer des instructions en région pour s'assurer que des exactions soient commises afin de terroriser la population et s'assurer que celle-ci ne se rébelle plus. Ces nervis, comme je vous le disais, ont à la fois une structuration qui est liée aux fonds spéciaux, aux fonds du parti et donc aux modes de financement illégaux euh, qui ont euh, cours au sein du parti en place, mais également à travers un certain nombre de féodalités qui expliquent l'ascension de personnalités à la qualité médiocre et qui pourtant ont obtenu des portefeuilles importants, notamment au sein du gouvernement. Parmi ces individus qui jouent un rôle clé au sein du pouvoir, nous trouvons évidemment, sans importance euh, hiérarchique dans mon énonciation, des personnes comme Doudouka, le ministre des Transports, qui dispose de réseaux de Nervi qui euh, descendent jusqu'à Ziguinchor. Nous trouvons évidemment des suspicions concernant des individus importants et sur lesquels il faudra travailler, comme Pat Malikendo, comme Aline Gouindiaï, comme Mam Nyang, que l'on connaît pour euh, d'autres raisons, et évidemment au premier chef, comme Pierre Mfal, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Les ils jouent un rôle très important. Pourquoi Parce que, on le sait, les qui joue un rôle euh, au Sénégal établi euh, depuis euh, une quinzaine d'années, notamment au sein du parti présidentiel de la majorité précédente, avait au départ un rôle qui consistait simplement à accompagner les politiques, à faire la claque, comme on dit, lors des événements électoraux, à s'assurer de la protection de ceux-ci et quelque part à les valoriser alors qu'ils n'avaient pas accès aux ressources gouvernementales progressivement, l'APR a décidé de dévoyer ce rôle et les a constitués en milices. Cette évolution a produit un certain nombre de conséquences importantes. On l'a vu notamment avec un certain nombre qui, en 2019, ont cherché à réclamer une reconnaissance dans leur action. On a vu le président des Marrons de Feu donc le groupe de sécurité de à ce salle, voilà. réclamer son intégration à l'appareil de pouvoir gouvernemental et être payé sur les télévisions sénégalaises. Ibrahim Deuil joue aujourd'hui encore un rôle cardinal dans l'organisation d'énergie et dans la répression paragouvernementale des mouvements d'opposition au pouvoir en place. Biram Faye s'est vu octroyer un poste de ministre auprès de M. Guillaume, dans l'objectif de formaliser, de légaliser une partie de ces réseaux illégaux. La création de l'agence de sécurité de proximité, des agents de sécurité de proximité, avait pour vocation de créer au sein de l'État un corps parallèle à celui des forces de sécurité et de défense, qui, certes moins formés, aurait une attitude plus grande à l'heure de commettre les exactions dont nous parlons. M. Biramfaï a évidemment continué son double jeu, à la fois comme ministre et comme organisateur de ces forces de répression illégales. Fay joue donc un rôle clé au sein de cet appareil de répression que nous décrivons auprès de M. Antoine Diom, M. Antoine Diom qui est, par ce, cette voie de fait, directement impliqué dans la commission des crimes qui sont responsabilité de ces nervis. Il apparaît par ailleurs et c'est un point que j'ai oublié de mentionner, que M. Antoine Guillaume a récupéré de façon très opportune la tutelle partagée avec M. Sidi Kikab sur Moussafal. Moussafal, en tant que haut commandant de la gendarmerie, a des attributions de sécurité publique. Ce qui permet de coordonner son action avec Antoine Guillaume et ce qui permet justement de s'assurer qu'il y a une centralisation de la prise de décision par rapport à ces forces parallèles entre gendarmerie, police et les nervis eux-mêmes, de façon à s'assurer que leur action sur le territoire se passe en bonne intelligence et sans confusion. Alors, au-delà de ces notables qui ont leurs propres nervis, comme ceux que j'ai cités, qui sont pour certains au gouvernement, au-delà de Guérin Fay et de ceux qui organisent ces nervis, au-delà des personnalités qui, comme Sidi Kikaba, ont des responsabilités formelles, il y a évidemment les hommes de main, c'est-à-dire ceux qui vont faire l'intermédiation entre les forces officielles et les forces officieuses. Parmi celles-ci, quelqu'un qui a été vu pendant la crise qui euh, vient de se dérouler très régulièrement auprès de Moussa au haut commandement à la gendarmerie, Jérôme Bandiaki. Jérôme Bandiaki qui travaille en lien direct avec la présidence, qui se coordonne avec le haut commandant à la gendarmerie et qui organise sur le terrain, avec Abdoulaye Sal notamment, le recrutement et l'action des nervis en question. Jérôme Bandiaki, j'aimerais le prévenir que l'on a un certain nombre d'informations sur lui qui euh, font qu'il aurait intérêt à parler, à s'expliquer, ou à surtout ne jamais sortir du territoire sénégalais tant que le régime n'aura pas changer. Monsieur Bandiaki, nous savons tout sur lui, comme un certain nombre d'autres individus qui pensaient pouvoir se couvrir, qui pensaient du fait de leur absence de fonctions officielles ne pas vous faire les on, on ne peut plus diffuser les images. Nous connaissons les parce que c'est des images vraiment atroces qu'on arrive à diffuser. il s'est trouvé, il se trouve, des fonctions qui exerçait, de son rôle de gardien, de jusqu'à aujourd'hui les lieux voilà. de ses actions, de ses habitations, de ceux de ses enfants, la voiture qu'il conduit. Et nous n'aurons aucune difficulté à l'identifier, à le faire arrêter, à le faire juger, lorsque les conditions seront présentes sur le territoire sénégalais. Jérôme Bandiaki ne travaille pas seul, et nous avons, euh, au-delà de Youssouf que j'ai mentionné, un certain nombre d'autres suspects, d'individus qui, euh, comme la main droite de Youssouf Niang, comme euh, Madame Ninsonko, le responsable financier des nervies euh, de Doudouka, comme Elsa Omarceau, le relais de C'est horrible. Et territoire après territoire, je pourrais continuer à Embourg, à Ziginchor, C'est horrible. Qui ont des responsabilités dans la commission des crimes. C'est horrible. Nous avons aussi l'identité des lutteurs qui jouent un rôle cardinal dans cette répression aux côtés ah. des nervis. Euh, nous avons di photos conférence de l'avocat Juan ici à Paris Il chaîne euh, Paris par des virements sur des applications euh, téléphoniques en cash ou d'autres façons voilà une présentation un peu générale mais qui permettra de aux personnes qui ont prétendu qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir par rapport au travail que l'on avait mené, de se rendre compte de l'ampleur des informations que nous avons recueillies de leur niveau de détail et du fait que dans un pays comme le Sénégal, la commission de crimes ne passe pas inaperçue. La participation à la commission de ces crimes ne passe pas inaperçue. Je comprends bien que Macky Sall pense, avec son parrain de l'Élysée, aujourd'hui pouvoir échapper à toute poursuite, et qu'il pense, parce qu'il a reçu M. Euh, monsieur euh, Khan à Dakar, qui a commis une erreur manifeste, le procureur de la Cour internationale a commis une erreur manifeste en venant louer le régime de Macky Sall alors que 14 personnes étaient déjà mortes. Parce qu'il leur a donné l'impression qu'il pourrait en toute impunité continuer, sans conséquence, pour leur devenir politique et pénal. Je comprends que Macky Sall cherche aujourd'hui à Paris à faire monter les rumeurs sur sa supposée candidature pour essayer de divertir le tir. Mais je tiens à l'assurer que nous ne sommes pas dans un agenda politique. Et que les éléments que nous avons recueillis vont le poursuivre jusqu'au dernier de ces jours. Qu'il se représente ou non en février, qu'il soit élu ou non, qu'il parte du pouvoir demain ou jamais. Ces éléments sont suffisamment larges, étayés, pour que l'ensemble des personnes dont nous avons parlé aujourd'hui aient à se préoccuper de leur devenir à jamais. C'est donc avec un esprit de sérieux et de responsabilité très important que nous vous le présentons, en étant très attentifs aux sources qui nous ont permis de les compiler, en ayant croisé l'ensemble des informations que nous avons reçues, mais aussi avec une euh, assurance assez forte quant à leur véracité et l'effet qu'elles auront. Est-ce que ces éléments en soi suffiront mettre fin à l'impunité Non. Et c'est un dernier point que je voulais aborder, avant de répondre à vos questions. Le devenir du Sénégal appartient au Sénégalais. Et nous espérons fondamentalement que des poursuites se dérouleront sur le territoire pour mettre fin à cette impunité. Ce qui se passera une fois les informations entre les mains des citoyens dépend de ces citoyens. Elle ne dépend pas de l'action d'un procureur seul, elle ne dépend pas d'un avocat, elle ne dépend pas d'un politicien. Elle dépend de la capacité des Sénégalais à surmonter la peur, à surmonter la violence qu'ils subissent et à s'assurer que leurs droits seront respectés. Je suis prêt à répondre à, vos questions aujourd'hui et euh, à vous donner tout détail qui serait nécessaire à la compréhension des éléments qui viennent de, vous être présentés. voilà là le monde est qu'on a déclaration qui Juan l'avocat Juan Branco daal di def euh muy jox euh, maintenant la parole à la presse voilà ñuy fàttali ñu top sen chaîne Senejet fii ci Paris di conférence de presse de xam Juan Branco moo ko amal ci ko ci plainte bi déposé à la Cour pénale internationale contre Macky Sall et son régime voilà est-ce que vous arrivez à constituer un pool d'avocats, aussi bien français que sénégalais Je vous remercie. Nous sommes 30 euh, avocats qui travaillent actuellement sur ces questions. Nous, avons, euh, nous, sommes appuyés sur euh, des personnes qui, sur le terrain, nous ont aidés à recueillir des preuves. Mais ce document est le fruit de notre élaboration propre, de mon cabinet, des personnes qui m'ont aidé que je remercie ici, ainsi que justement des juristes qui nous ont accompagnés sur le terrain. Par contre, en ce qui concerne la représentation des victimes par la suite, nous en représentons certaines, mais nous espérons qu'il y aura un effort collectif, en effet, qui sera mené avec nos confrères sénégalais, principalement, parce que c'est à eux qu'il revient de prendre ensuite la direction des opérations, et notamment euh, cher Koleshiba, que je remercie euh, de m'avoir introduit euh, à, ce territoire, et qui, qui joue un rôle cardinal aujourd'hui dans, dans, l'ensemble des actions qui sont menées pour essayer d'éviter que cette répression ne soit encore plus sanglante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bonjour, merci pour ce beau travail, merci pour tout ce que vous faites pour le Sénégal. nous, en tant que... on est citoyens français et en même temps sénégalais. Est-ce qu'il est possible, de notre part, de porter plainte au niveau des juridictions françaises contre les personnes qui, sur les plateaux de télé, qui, en longueur de journée, euh, font l'apologie des meurtres, des, choses horribles au Sénégal. Comment peut-on faire, nous, ici, sur le territoire, pour porter plainte et poursuivre ces gens à jamais Je vous remercie. C'est un élément sur lequel je ne suis pas revenu et je vous remercie de, de me le permettre. C'est euh, les personnes qui incitent à la commission des crimes. C'est un élément cardinal et qui ne pense pas qu'ils seront oubliés. Je n'ai pas voulu leur donner trop d'importance, donc on n'en a pas parlé, mais on va en parler maintenant. Euh, la jurisprudence pénale impersonnelle, à travers notamment l'affaire de la radio des mille collines au Rwanda, a permis d'établir que l'incitation à la commission des crimes par la dévalorisation des victimes, par la légitimation de la violence, pouvait faire encourir des responsabilités pénales qui allaient jusqu'à la perpétuité. À ce titre, je tiens à prévenir l'individu, les individus, qui se tiennent derrière le compte Anita Diop. Anita Diop qui, euh, sur les réseaux sociaux, fait diffuser des éléments relatifs à des actions de police afin de dénigrer des opposants en les montrant dans des situations particulièrement violentes. Je pense, je pense qu'on a vu ces images déjà à M. Pape Touré, qui a été torturé par les forces euh, de police et dont les photos ont été diffusées par ce truchement. Je pense à l'arrestation d'Ousmane Sonko alors qu'il était dans la caravane de la liberté. Je pense à une infinité de postes qui appellent à l'extermination des opposants politiques et qui sont évidemment susceptibles d'être qualifiés de complicité de crimes contre l'humanité. Au-delà de cet individu, il y a évidemment au sein de l'incitation à commission des crimes un certain nombre d'autres que l'on a exposés ces derniers temps. On pense à Ahmed Suzanne Camara. Je ne suis pas sûr qu'il faille leur donner de l'importance, mais tant qu'à faire, allons-y, et montrant que nous, surveillons la moindre expression dans l'espace public qui, d'une façon ou d'une autre, puisse être considérée comme une incitation à commission de violence. Il y a eu des députés, des hommes politiques, des personnes comme Abdoulaye Mamadou Kissé, des personnes comme Mustafa Diakate, des personnes comme Ahmed Khalifa Nias, au sein du palais présidentiel pour ce dernier, M. Nias. Cette intervention qu'il a faite lors du supposé dialogue qui a été ouvert par M. Sall, dans laquelle il appelle à détruire un opposant politique, dans lequel, avec véhémence, il cherche à inciter à la commission de violence, est impardonnable et déteint ce président de la République que l'on voit sur ces images approuver les propos de cet individu, de cet homme d'affaires. Il y a, euh, pardonnez-moi l'expression, des guignols, comme Kadim Samb, mais qu'il est important de signaler. Des personnes comme Sheikh comme Matar Diop, député de la Nation, et qui ont tenu des propos particulièrement graves. Aliou dembo aussi, et des journalistes qui ont déjà été cités, mais aussi des jeunes, aussi des jeunes, des personnes dont il semblerait qu'il ne faudrait pas leur donner d'importance. Comme Ibrahim Agaï, responsable jeunesse de la PR de Saint-Louis. Ces gens sont fondamentaux, parce que, même s'ils ne sont qu'étudiants, ils ouvrent la porte à la violence de la part de leurs congénères. Ils ouvrent la porte à ce que les étudiants se sentent désinhibés à l'idée de commettre des violences. Et il faut être à leur rencontre aussi très attentif. Lorsque l'on voit que sur ce territoire, des opposants politiques, sont arrêtés de façon régulière, des journalistes également, pour euh, incitation à l'insurrection, pour euh, atteinte à la sûreté de l'État, parce qu'ils ont à un moment ou à un autre dénoncé une affaire de corruption, une violence, et que l'ensemble de ces individus bénéficient d'une impunité absolue dans leur édiction, eh bien on voit encore une fois l'intention du régime et son absence de considération quant au crime dont il est question. Donc je vous remercie de m'avoir parlé de cette affaire. Il est évidemment possible pour vous au titre de compétence universelle de signaler ces faits à la, CPI ou euh, aux juridictions nationales. Ce que j'incite particulièrement à faire, c'est que si vous connaissez toute victime qui aurait la double nationalité, qui serait victime d'arrestations arbitraires, de violences, de quel que soit, des crimes qui sont commis de persécution et qui sont prévus par le statut de Rome, je vous incite à se rapprocher de nous, à se rapprocher des cabinets d'avocats en qui ils auront confiance, pour à leur tour participer à ces procédures. Est-ce que vous pouvez nous préciser euh, quelles sont les vidéos et les captures d'écran que vous avez diffusées Quelles sont leurs euh, origines Comment vous avez pu euh, en vérifier l'authenticité Ces vidéos font partie des, des, 710 éléments que nous avons retenus sur les plus de 4500 et que nous avons retenus parce que nous avons pu soit parler aux personnes qui sont les victimes directement, pour la plupart d'entre elles, soit aux auteurs de la vidéo et des témoins directs de la scène qui nous ont permis de recouper avec d'autres éléments, notamment des éléments d'identification, des certificats d'autopsie et autres, la réalité matérielle des scènes, leur date et le lieu dans lequel ils ont été euh, présentés. Tout élément qui ne permettait pas d'identifier avec certitude la date et le lieu a été écarté par principe, par risque de falsification, par risque de confusion avec des événements précédents ou autres, ce qui explique que nous ayons retenu que ces 710 éléments, alors que très probablement sur les 4500, la quasi-totalité touchait quand même aux événements euh, dont nous, euh, dont nous parlons, c'est-à-dire entre mars 2021 et janvier 2023. Nous savons à quel point la procédure pénale est stricte et à quel point, dès lors qu'il s'agit de la vie d'un homme qui est pris dans les raies d'une justice pénale, il faut être exigeant et rigoureux dans la sélection des éléments qui seraient potentiellement incriminants pour ce dernier. Et nous, nous avons opéré avec cette connaissance du droit pénal et de ses exigences, avec aussi mon expérience au sein de la Cour pénale internationale du bureau du procureur, puis comme euh, docteur les euh, recherches universitaires pour essayer de, calibrer euh, la, sélection des preuves pour s'assurer qu'elle respecte les exigences de ces juridictions. Il y aura évidemment un travail à faire de la part de ces institutions pour recouper, vérifier, eux-mêmes enquêter, mais ce dont nous sommes certains, c'est que la base matérielle et objectivable que nous leur fournissons est suffisante dès aujourd'hui pour ouvrir une enquête. Reste maintenant pour le procureur d'un compagnon national à assumer les conséquences potentielles d'un geste qui pourrait être perçu comme euh, inamicales de la part d'un régime qui, euh, par ailleurs, a encore une influence importante. Mais c'est là encore où j'insiste, quoi qu'il arrive, que ce soit la CPI en France ou évidemment au Sénégal, ce que nous privilégions, la question ne se joue pas en, en semaines, mais évidemment en années. Ce sont des années qui vont peser sur ces individus, parce que ce sont des années lors desquelles, à tout moment, des procédures pourront être enclenchées contre eux et amener à des conséquences pénales là où j'attire l'attention à la fois des juridictions internationales et nationales, c'est qu'ils soient très attentifs à la responsabilité qu'ils auraient en, s'ils se retenaient d'agir dans les événements qui vont suivre. Parce que nous sommes à sept mois d'une élection présidentielle, que nous avons vu que ce pouvoir politique fait usage de la force pour imposer ses décisions, et que dans l'inaction de la part de ces juridictions, il y aurait une forme de complicité à l'égard de tout acte futur de violence qui serait organisées et commis par le régime actuel. Alors bonjour monsieur Branco, je suis Mimodia Ledimen, je suis panafricain. Euh, évidemment, les images que vous projetez sont désolantes et c'est difficile à regarder, à, observer. Euh, pensez-vous que ce soit vraiment très très opportun du moment où les juridictions, les juridictions locaux sénégalais n'ont pas encore pris ces crimes en considération pour être jugés dans, dans des tribunaux sénégalais. Et pensez-vous qu'il est normal à l'état actuel de vouloir tout simplement détropicaliser ce phénomène-là vers la CPI, tout en sachant que la CPI ne condamne de façon générale que les Africains. Au regard même de ce qui s'est passé au niveau de la Libye, comme vous êtes défenseur des droits humains, la véritable personne qui aujourd'hui aurait dû attirer la CPI, c'est M. Nicolas Sarkozy, en tant que défenseur des droits humains. passez vous un jour régler le sort de M. Nicolas Sarkozy Je ne parlerai même pas de George Bush parce que, comme vous le savez très bien, la CPI les Américains n'ont pas ratifié le statut de Rome. Et ma dernière question est la suivante. Avez-vous vraiment, mais quand je dis vraiment, c'est vraiment, parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est quelque chose de très grave qui touche le régime de Macky que je qualifie comme étant un régime dictatorial. Avez-vous vraiment des vraies preuves qui justifient votre action et pensez-vous que la CPI va vraiment aller au fond de cet événement-là pour ayant à l'esprit ce que je viens de dire. Merci. Je vous remercie. C'est euh, une question qui me semble euh, très importante. Je suis particulièrement euh, attentif au respect de la souveraineté et en particulier de la souveraineté des peuples africains qui a été malmenée au prétexte de lutte pour le bien ces dernières années de façon chronique j'ai l'honneur de défendre certains, certaines des figures panafricanistes les plus importantes qui m'ont amené justement euh, à ce dossier, euh, dont euh, Kimiseba, Seba, que je remercie de sa confiance, et qui ont joué un rôle cardinal dans ma formation intellectuelle et politique à l'égard des enjeux contemporains africains. Donc il est évident que j'ai parfaitement conscience des enjeux que vous soulevez et de l'importance de les soulever. On est sur une situation où si vous changez un peu votre prisme, la seule juridiction qui inquiète sérieusement des personnes dont je viens de vous parler est la Cour pénale internationale. Parce que ce sont des individus qui aiment venir dans des palaces comme celui-ci. Et euh, contrairement à eux, nous avons fait un immense effort collectivement pour pouvoir nous installer pour quelques heures ici, pour leur montrer que nous avions les capacités à tous les niveaux de les défier sur terrain, mais nous n'avons pas nos habitudes dans ces endroits. Et nous n'avons pas l'habitude de piller les ressources des peuples pour se permettre d'arriver dans ces endroits. Cette différence fondamentale, elle est exactement similaire sur la question de la CPI. Quelle que soit notre appréciation de l'action de la CPI, en particulier depuis 20 ans, nous savons qu'aujourd'hui, c'est l'institution qui serait en mesure de les empêcher de venir faire leur course dans le 8e arrondissement, de venir se faire soigner dans l'Union européenne, de venir de façon générale passer leurs vacances ou placer leurs enfants, comme c'est le cas pour M. Fall, Monsieur au Canada. Ces gens, aujourd'hui, ont une partie de leur famille à l'étranger, dans ces territoires qui sont la CPI. Et c'est pour ça, c'est très important pour nous d'activer ces juridictions, parce qu'ils ont aujourd'hui le contrôle sur les juridictions nationales. Ils ont la capacité d'éteindre les procédures locales. Nous espérons qu'un jour, et le plus vite sera le mieux, le Sénégal prenne en charge de lui-même ses poursuites organise, crée un tribunal mixte qui lui permette de juger exceptionnellement ces faits-là. Aujourd'hui, et c'est là où j'en reviens à la responsabilité du peuple sénégalais, ce n'est pas possible parce que ceux qui ont commis les crimes sont ceux qui sont au pouvoir et qui se maintiennent au pouvoir. L'enclenchement de poursuites et de procédures dans ce qui se veut des États de droit comme la France, dans ce qui se veut le parangon de du droit international comme l'est la Cour pénale internationale, est aussi une façon de les mettre face à leurs responsabilités et de leur demander si ils tiennent en effet un double discours depuis leur création, qui consiste à n'intervenir que lorsque les intérêts des puissances occidentales sont en jeu, ou si en effet ils se préoccupent des violences quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles sont commises contre un peuple qui aspirait simplement à sa souveraineté et à sa liberté. Et donc ces procédures en cette vocation-là. Les prendre au mot, leur dire vous avez un certain nombre de critères, nous démontrons que ces critères sont établis, nous vous en apportons des preuves formelles, démontrez-nous que nous pouvons croire en vous et que nous avons raison d'avoir confiance en vous. Si ce n'est pas le cas, à chacun d'en tirer les conclusions. Cette communication sera rendue publique. Elle permettra à chacun d'entre vous de juger du niveau de sérieux des éléments que nous avons avancés. Elle vous permettra de décider à partir de là si en effet, dans votre faire antérieure, vous considérez que c'est parce que nous n'avions pas assez d'éléments que ces poursuites n'ont pas été enclenchées, ou si parce qu'il y a une forme de complicité dans la commission des crimes que nous mentionnons. Bonjour Monsieur Branco, je m'appelle Bara. Tout d'abord, je tenais à vous remercier personnellement et au nom de beaucoup d'amis. Sincèrement, mis à part le degré d'investissement, c'est votre travail et tout, mais à un moment donné, on a noté une implication très sérieuse. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous l'avons noté. Et beaucoup de, de mes amis le partagent. Ils m'ont transmis, m'ont imposé même de vous remercier il y en a même un qui m'a donné un nouveau bouquin qu'il souhaiterait que vous, signiez pour lui. Donc sinon, sur les questions, vous avez répondu à une, question partiellement. Ce serait en fait, euh, quel est le délai réel, effectif de réactivité pour une action judiciaire concrète de la CPI ou de juridiction française par exemple Ensuite, euh, si vous pouvez faire un bref énoncé sur les délais d'emprisonnement quand réellement ces 112 suspects par rapport à leur degré de responsabilité, que ce soit du nervi jusqu'au président Macky Sall. Quelles seraient les possibilités d'emprisonnement ainsi que les délais, notamment avec la CPI ou avec euh, la juridiction française Je vous remercie. Techniquement, euh, la plainte ayant été déposée sur le sol français hier soir, techniquement, nous sommes dans un cas de flagrance. Les éléments de l'existence de ces crimes sont évidents. Le procureur de la République pourrait immédiatement ouvrir une information judiciaire, voire procéder à l'arrestation de Macky Sall ou de membres de sa délégation sans délai, dès lors que les immunités ne tiennent pas en ce qui concerne le crime contre M. Macky est aujourd'hui à Paris. Ses conseillers, sont à Paris, si nous étions dans un état de droit absolu, comme nos dirigeants le prétendent, ils seraient arrêtés. La Cour pénale internationale, le bureau du procureur, a ouvert une enquête sur la Libye en trois semaines. Trois semaines. Il a tardé 11 ans pour euh, se prononcer sur l'Afghanistan. Est-ce que c'était lié à, la différence de gravité des crimes Est-ce que c'était lié à d'autres considérations Je pense que chacun sait parfaitement ce qui explique cette différence d'empressement. Le bureau du procureur, le procureur actuel, parce que l'on pourrait se dire, euh, là on parle de quelque chose d'il y a 10 ans, l'institution a changé, etc., a quasi simultanément avec la guerre euh, en Ukraine ouvert une enquête, immédiatement, sans limite. Il a même créé un bureau en quelques mois qui euh, aujourd'hui exerce à Kiev dans le recueil des preuves. J'aimerais que M. Karim Khan, procureur de la Cour internationale, citoyen britannique, nous indique s'il considère que les situations africaines ne sont d'intérêt pour lui ou pour son bureau que lorsqu'il en est saisi par euh, des grandes puissances ou s'ils considèrent que les citoyens euh, sénégalais sont les égaux des citoyens ukrainiens et russes, et qu'ils ont droit à un traitement tout aussi diligent et à la mobilisation de moyens équivalents pour les protéger, surtout au regard des risques qu'ils encourent. Je pense que ce serait une question qui devrait lui être posée. Il y a, euh, à partir des éléments qui sont, pardonnez-moi, mais assez clairs, ne souffre pas de doute sur l'existence euh, des massacres, des violences dont il est question. Donc à partir de là, il lui appartient d'agir euh, dans les délais qui lui seront et euh, de prendre des décisions qui, sont les siennes. Nous, nous sommes, comme bien d'autres, en mesure de pousser, d'amener, de faire le travail à la place d'eux, mais nous ne sommes pas en mesure de décider. Nous sommes des avocats, nous sommes victimes, nous sommes partis civils. Ceux qui décident, ce sont les peuples, et ce sont ceux qui ont été mandatés pour les diriger ou qui les dirigent de fait. Bonjour maître, euh, je suis euh, Sayan euh, cadre à PASSEF France. Tout d'abord, je vous remercie pour toute cette compilation et toute cette consolidation de ces vidéos que vous avez montrées et qui sont preuves des atrocités que nous vivons au Sénégal. Maître, moi, la question qui me trotte tout le temps, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à porter ce combat auprès de Ousmane Sonko parce que si on se rappelle bien, le début de ce combat l'a porté sur le fait de pouvoir défendre le président Ousmane Sonko face à ces gens qui l'ont diabolisé. Mais je vois qu'il y a une continuité qui a été faite par rapport à ce combat que vous portez là. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette motivation-là pour porter ce combat auprès de Ousmane Sonko et auprès du peuple sénégalais Et une autre chose que je voulais vous dire, Maître, vous faites partie de l'espoir de tout un peuple. Le Sénégal en foi à vous. Le Sénégal a confiance en vous. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de vivre des nuits sombres. Et je pense que vous portez un combat de tout un peuple. Et nous avons espoir et foi en vous. Et espérons que tous les gens qui sont impliqués dans ces meurtres et dans ces atrocités-là seront punis. Merci nous, avons été saisis par des victimes, des familles de victimes de meurtre, par euh, des personnes qui ont été blessées, qui ont été torturées et qui ont probablement eu connaissance de mon existence à travers, en effet, la désignation que m'avait euh, donnée Ousmane Sonko dans le cadre de l'affaire euh, qu'il opposait au ministre du Tourisme. Vous vous souvenez, cette affaire a amené le, le régime sénégalais à m'expulser du territoire euh, parce qu'ils considéraient que les propos que j'avais tenus sur M. Salle ne, les convenaient pas, ne leur convenaient pas. Vous vous rappelez, j'avais dit que cette audience déterminerait le devenir politique de ce régime et sa nature ou non démocratique. Ce n'est pas des propos particulièrement offensants. Je pense que la suite a confirmé qu'on pouvait se poser cette question. Elle m'a valu une expulsion par des hommes en armes, et elle m'a valu euh, la reconnaissance d'un certain nombre de citoyens sénégalais qui ont donc décidé de nous saisir pour cette procédure. C'est en leur nom que l'on agit aujourd'hui, en ayant parfaitement conscience qu'une grande partie des victimes dont il est question aujourd'hui sont en effet des membres de l'opposition et ont été ciblés parce qu'ils étaient membres de l'opposition et sont victimes d'une répression qui est avant tout politique. Mais nous faisons aussi pour celles qui ne le sont pas, politisées, parce que beaucoup de personnes qui ont été victimes par ricochet, comme on dit, qui ont subi ces violences alors qu'elles n'avaient aucun rôle politique quelconque, mais aussi plus généralement pour la possibilité qui doit être offerte au peuple aller, de se déterminer lui-même. Ce que nous cherchons à éviter par tout moyen, c'est que la violence devienne un instrument du politique, que la violence permette, d'une façon ou d'une autre, de se perpétuer au pouvoir au détriment de la souveraineté populaire. Cette question des crimes contre l'humanité n'est pas une question euh, qui est favorable à M. Sonko euh, ou, à un autre dirigeant politique. La seule conséquence de ces procédures, c'est une protection accrue du peuple sénégalais, y compris de personnes qui sont d'opinions différentes à celle du PASTEF et de M. Sonko. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement importante. Et c'est pour ça que, de façon générale, tous Sénégalais, y compris s'ils considèrent que M. Sall a été un président important, pour quelles que soient les raisons, euh, devrait se préoccuper de ce que nous sommes en train de montrer. Devrait demander à ce qu'il y soit mis. Parce que sinon, le risque est qu'un jour, il y soit confronté. Parce que sinon, le risque est que demain, un dirigeant politique utilise à son tour de ces violences pour faire taire la nouvelle opposition dans laquelle ils seront peut-être intégrés. Et à mon sens, il ne s'agit pas du tout d'un combat politique, mais euh, d'une façon de rendre aux Sénégalais une part de leur souveraineté. En leur offrant les instruments qui sont les nôtres, qui nous ont permis, à travers mon parcours, à travers les moyens qui nous ont été donnés, euh, du fait de la vie que j'ai eue. Leur rendre de façon traduite en droit international pénal des instruments qui leur permettent de mettre fin à l'impunité s'ils le souhaitent, et selon les modalités qui seront les leurs. Nous n'allons pas prendre la place du peuple sénégalais ou d'une quelconque juridiction. Mais par contre, avec cet instrument, qui encore une fois, d'où l'importance de le rendre public, les Sénégalais auront la possibilité d'avoir une base qui leur permettra d'une part de démontrer la réalité des crimes en question, d'établir les responsabilités, les commissions des qui est responsable des crimes, et ça permet de répondre militant panafricaniste qui avait saisi, et de décider, à partir de là, de la suite à donner, souverainement. Nous leur offrons cet instrument, et nous leur laissons entre leurs mains, à eux maintenant, de jouer et de rêver leur destin. Bonjour, euh, une question à vous poser. Euh, quelle est la part de subjectivité dans, dans votre combat en fait vu l'engouement <clears throat> qui est derrière vous, débat, n'avez-vous pas peur de, se voir Non. on a joué, je pense qu'on a notre, on a joué notre rôle. On a essayé de le faire de façon sincère. On n'a pas de compte à régler à qui que ce soit. Moi, je considère que le régime sénégalais m'a fait un honneur en, en m'expulsant. Il soulignait euh, l'importance qui était la mienne. Et euh, il m'en accordait peut-être même trop. Et peut-être qu'il regrette aujourd'hui cette erreur, de la même façon qu'il regrette probablement l'erreur ayant amené, l'ayant amené à radier M. Sonko il y a quelques années. Mais c'est le propre des régimes qui peu à peu prennent la route de l'autoritarisme, c'est euh, de commettre ces erreurs et de faire naître par eux-mêmes euh, des alternatives à leur pouvoir. Nous n'avons pas d'intérêt particulier à cette affaire. Nous n'avons pas euh, de récrimination particulière personnelle à leur adresser. Et euh, nous avons essayé, en conséquence de quoi, de façon très froide, je pense que les membres de mon équipe pourront en témoigner, sans émotion particulière, de traiter les informations qu'on recevait, de les qualifier juridiquement, de s'assurer qu'en effet des crimes contre l'humanité avaient été bien commis, que le seuil de gravité avait été atteint, que les intérêts de la justice commandaient, euh, les intérêts de la justice commandaient d'ouvrir une enquête, qu'il n'y avait pas de poursuite suffisamment sérieuse pour considérer qu'en effet il était temps de saisir la CPI. Et à partir de là, nous avons simplement restitué ce travail. Euh, nous considérons que le politique est souvent fait de violence, que c'est quelque part une donnée universelle, que l'on n'arrivera pas à éteindre. Nous espérons simplement, à notre mesure, essayer d'éviter qu'elle se généralise trop rapidement et tenter d'ouvrir une fenêtre par laquelle une situation plus apaisée pourra se développer au Sénégal. Je pense que les chancelleries occidentales qui se montre d'une complaisance euh, assez, merveilleuse à l'égard de Macky Sall, devrait concevoir les risques qu'il y aurait à laisser ce pays s'effondrer sur lui-même. Eux qui sont si euh, inquiets des questions migratoires, je leur demande, je leur pose la question suivante. Qu'en sera-t-il si un jour euh, le Sénégal sombre dans la guerre civile du fait de l'usage systématique de violence par ce régime Qu'en sera-t-il si un jour ce, pays finit par se scinder Et si, euh, à la violence actuelle du régime, répliquait d'autres formes de violence Qu'en sera-t-il si des pouvoirs euh, frontaliers essayaient de profiter de cette situation pour tenter de se saisir d'une partie des nouvelles ressources découvertes par le Sénégal Ce sont des questions très sérieuses et je les invite à sortir du court terme qui consisterait à penser qu'il vaut mieux euh, protéger et courir le régime actuel plutôt que d'essayer sincèrement de mettre fin à l'impunité, parce qu'on ne sait pas ce qui viendra derrière, on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences, et euh, en réfléchissant à moyen terme, à se rendre compte de ce que la normalisation et la naturalisation des violences au sein d'un territoire qui jusqu'ici avait été particulièrement remarquablement stable comme le Sénégal pourrait impliquer comme conséquence sur l'ensemble de la sous-région et plus largement dans nos territoires. Bonjour maître. Euh, j'ai deux questions à vous poser. Euh, la première, euh, quel est votre commentaire Parce que d'après nos informations, les jeunes qui étaient dans la rue, dans la rue étaient recrutés par des responsables politiques. Quel est votre commentaire sur ces personnes qui ont recruté ces jeunes pour qu'ils descendent sur le terrain Ma deuxième question, c'est de savoir votre commentaire sur le discours haineux et criminel des opposants comme Ousmane Sonko, Fall et autres personnes qui font la politique au Sénégal. C'est Mamadou Ndiaye, National. Merci. Je vous invite à nous transmettre tout élément de preuve qui aurait trait à, ces allégations, qui pour l'instant me semblent plutôt participer de la stratégie de offuscation des crimes contre l'humanité qui sont commis et donc, euh, d'une certaine façon, vous en rendre complice. Bon, après c'est Bonjour, Maître Je suis un Nabousso, membre de l'opposition sénégalaise, membre de Yéwi Askanoui, allié de Ousmane Sonko. Je suis présente avec euh, M. Chertidjani, qui est aussi membre de la conférence des leaders. Abdelkader ah, Kamara, qui est aussi membre de l'opposition sénégalaise, et l'honorable député Abbas ainsi que l'honorable député Ali Kébé Je tiens à faire cette précision parce que nous sommes tous autant des présumées victimes prochaines de ce régime. Peut-être que c'est trop dire, mais nous risquons nos vies tous les jours parce que nous sommes des opposants politiques. Le Sénégal, maintenant, c'est devenu un délit. C'est devenu une menace d'être opposant de, président Nous sommes menacés, nous sommes persécutés. Euh, les jeunes qui ont été tués, pour la plupart, certains nous les connaissons, c'est des jeunes qui n'avaient que des pierres à la main, au plus, et des lance-pierres et rien d'autre. Nous avons même par moments été appelés à faire tour dans la ville. Donc nous aurions pu être sur ces images horribles que nous venons de voir. Ma question, au-delà des félicitations que nous nous faisons et que j'ai déjà entendues, ces félicitations, vous les méritez. Je sais que vous n'en avez pas besoin, parce que vous êtes militant des droits humains. Mais sachez que le seul fait de se dire qu'il y a de l'espoir, le seul fait de se dire qu'il n'y il aura pas d'impunité, que quel que soit ce qui se passera, comme vous venez de le dire, tôt ou tard, des comptes sont rendus, ça donne du bon au cœur à cette jeunesse qui a envie de se battre. Et ça nous fait dire que demain, si on était à la place de ces images, nous ne serons pas oubliés. Là, j'ai deux questions pour vous. Est-il possible de, de déposer une plainte à l'avance Je le dis parce que tout euh, tôt ou tard, je considère qu'il y aura deux choses. Soit vous, vous serez obligés de nous défendre en tant que victimes en prison ou en tant que victimes au cimetière. Parce que le combat que nous avons décidé de faire, nous irons jusqu'au bout. Est-il possible de préparer des plaintes de tous les citoyens sénégalais qui auront décidé de combattre ce régime Et je suis sûr que c'est des milliers et des millions de Sénégalais qui ont envie d'écrire leur nom pour ne pas attendre que les grands pays comme la France, les États-Unis, tous ces pays de droits humains, qu'est-ce qu'ils attendent Est-il possible de leur mettre devant leur responsabilité Qu'est-ce que, Quel est le déclic Ils attendent quoi Ils attendent qu'il y ait 100 morts, 1000 morts, 2000 morts. Comme vous le dites, le président Macky est sur le sol français. Est-il possible de demander à cette belle France qui envoie des correspondants au Sénégal pendant les élections, euh, euh, présidentielle et autres, qui est un partenaire, est-il possible de demander à la France de faire son rôle, aux droits humains de faire leur rôle avant que l'irréparable ne se commette Parce qu'on parle de troisième candidature, si le président Macky Sall fonce, il y aura des morts. Alors, est-il possible qu'il y ait un mécanisme juridique pour prévoir, faire des plaintes à l'avance au lieu d'attendre que nos jeunes frères ou que nos enfants meurent pour qu'après nous puissions faire des procédures qui peuvent durer dans le temps. Ça, ça, me permet de revenir sur un élément euh, que je n'ai pas détaillé, qui est le travail que l'on a fait sur euh, la persécution non seulement des militants politiques, mais aussi des journalistes, des avocats, euh, sur le terrain pour essayer d'empêcher qu'ils puissent protéger les personnes qui, du fait de leurs idées, euh, s'engageaient et euh, qui a amené à la mise sous mandat de dépôt d'individus ou à l'arrestation ponctuelle, y compris euh, de grands organes de presse comme l'AFP internationaux, qui avaient été confrontés aux effets de bord naturels de toute utilisation de la violence politique. C'est-à-dire que je pense que le régime sénégalais, si vous demandiez à Macky Sall, n'avait évidemment pas l'intention de cibler l'AFP parce qu'il savent les conséquences que ça aurait. Mais lorsque vous autorisez une forme de violence se déployer sur un territoire, bah, ça finit par toucher, vous ne pouvez pas tout contrôler en fait, et parfois il y a des débordements. Donc ça, c'est les effets de bord, et après, il y a des effets ciblés. Par exemple, en ce qui concerne le conseiller technique du ministre de l'Intérieur, son existence avait été révélée par un militant qui s'appelle Hannibal Jim, qui est un, blogueur, et qui avait révélé l'existence et la présence euh, euh, d'un coopérant au sein d'un régime qui utilisait la violence à des fins politiques. Eh bien, cet homme, par hasard ou non, et depuis le mois de février dernier, sous mandat de dépôt. Il est détenu. Est-ce parce qu'il a exposé des faits qui ont été euh, très rapidement nettoyés sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui montraient l'existence de ce conseil technique numéro 6, M. Belleban Est-ce que la France a une responsabilité, par exemple, dans ce sort-là Ce sont des questions qu'il paraît très important de traiter, parce que on voit encore une fois une absence de distanciation complète de, la France et en général des puissances euh, étrangères à l'égard du régime actuel, malgré les violences qu'ils ont connues. Et il y a quelque chose là qui, en effet, pose question, mais qui ne se réglera pas judiciairement parlant. Je pense qu'une partie de l'Afrique euh, a pris le chemin de la souverainisation, d'une nouvelle phase de la décolonisation, et que, en faisant cela, elle est en train de se doter, peuple après peuple, d'instruments qui lui permettront de se protéger des ingérences étrangères, de protéger son peuple, et d'agir par conséquent. Votre protection, euh, ne m'appartient pas de me dire laquelle sera la meilleure. Il ne m'appartient pas de dire quel, chemin doit prendre tel ou tel individu sénégalais pour euh, amener euh, à ce changement et amener à la fin de l'impunité. Il m'appartient, moi, simplement, à partir des éléments que je reçois, de qualifier ou disqualifier ceci, de le considérer comme constitutif ou non d'un crime, évidemment seulement déjà commis, parce que la, politique pénale ne peut pas être prédictive, et à partir de là, essayer de faire euh, des points d'étape qui, on espère, produiront des effets et empêcheront que d'autres violences se commettent à l'avenir sans m'immiscer au-delà et sans euh, peser sur, euh, encore une fois, le destin souverain de cette population qui n'a pas besoin de moi, qui n'a pas besoin de quiconque d'autre que d'elle-même, mais qui, évidemment, dans un rapport de force comme celui qui est en place aujourd'hui, doit essayer de faire contrepoids aux influences étrangères qui cherchent par tout moyen à soutenir le régime actuel. C'est notre rôle de faire contrepoids d'équilibrer la situation sans essayer de nous attribuer un rôle supplémentaire, toujours en suivant les instructions de nos clients, que ce soit dans cette affaire des victimes directes, que ce soit dans d'autres euh, des personnes qui nous ont désignées, et en restant à notre place humblement, mais fermement aussi par rapport euh, aux actions que nous avons euh, recensées et constatées. On va peut-être prendre deux dernières questions, et si, cela vous convient. Bonjour, bonjour sincèrement. Euh, c'est cher Ahmed euh, comme Maïmouna, nous sommes venus de Dakar pour euh, assister à cette conférence de presse. Euh, je suis le secrétaire général du parti d'unité du rassemblement, membre de la coalition US Canui. Euh, au nom de la coalition US Canui, nous nous vous disons merci et félicitations pour le travail que vous avez abattu. Euh, et nous encourageons, d'autant plus que nous connaissons, nous savons très bien la pression que vous subissez euh, du fait du, travail extrêmement, important que vous, abattez. Euh, je ne vous ai pas entendu lors de, durant votre exposé faire référence à, ce qui est de, ce, que subit actuellement le président Simon Sonko, la séquestration, le fait qu'il soit empêché de sortir de chez lui, qui effectivement au terme du statut euh, de l'article 7 du statut de Rome est un crime contre l'humanité. D'autant plus que la coalition à a demandé euh, à tous les Sénégalais de se rendre le 25 euh, pour lever ce blocus qui est illégal, qui n'est basé sur aucune instruction, sur aucune ordonnance. Au-delà de, ne pas en avoir fait part dans votre exposé, que conseiller vous aux forces de l'ordre qui aujourd'hui considèrent qu'ils exécutent simplement des décisions euh, que leur supérieur leur demande de faire. Euh, lorsqu'un ordre est manifestement illégal, tout à fait. il n'y a pas de possibilité euh, de prendre prétexte de l'existence de cet ordre pour échapper à sa responsabilité. C'est pour ça que nous sommes allés très très bas dans la chaîne de responsabilité. Nous avons même des exécutants simples au sein, qui ne sont pas gradés au sein des forces de l'ordre, car nous considérons qu'ils sont en tant qu'exécutants de ces ordres euh, des responsables de crimes contre l'humanité. Euh, nous avons fait un message sur euh, les personnes qui participaient à la détention arbitraire de M. Sonko aujourd'hui, aux forces de l'ordre qui sont impliquées. nous avons indiqué qu'ils étaient en train de commettre un crime, avant tout en droit sénégalais, parce qu'il n'y a aucune décision de justice aujourd'hui concernant l'arrestation de M. Sonko, parce qu'il n'y a aucun mandat de magistrat qui justifie la détention qu'il subit. Donc, avant même d'en arriver à une responsabilité pénale internationale, ils encourent déjà des peines qui vont jusqu'à, dans mon souvenir, 20 ans de travaux forcés, selon le code pénal sénégalais. Ces individus, euh, ils sont identifiés. Nous savons exactement qui aujourd'hui participe à cette détention arbitraire. Nous savons quelles sont les compagnies, les euh, brigades. Nous savons euh, quels sont les, individus qui, normalement, sont à Thiès, ceux qui viennent de Dakar, des Rouges, des pérés nous, les avons tous identifiés, la chaîne de commandement aussi, et euh, il appartient, leur appartient de, prendre leurs responsabilités dans un cadre dont l'on comprend qu'il soit contraint, on comprend qu'il soit difficile, dans un pays comme le Sénégal aujourd'hui, de désobéir à des ordres. Mais nous leur avons rappelé, d'une part, que c'était leur obligation, que d'autre part, des actes comme celui qui consiste à gazer des avocats qui viennent voir leurs clients sont constitutifs de crimes, et enfin, et enfin, qu'ils doivent, je leur conseille de demander d'une part des ordres écrits, sur ce qu'ils font, et d'autre part mettre par écrit leur opposition à ces ordres. Que des justifications consistant euh, le fait qu'oralement ils se seraient opposés ne suffiront pas. Et ce que nous voyons, c'est que pour l'instant, ils sont un peu trop tranquilles. Et que donc, a priori, il n'y a même pas d'inquiétude particulière à ce stade encore quant au fait que ce qu'ils sont en train de commettre, bien, consiste en un, un des crimes quand même les plus importants en termes, dans un système de droit, qui consiste à, en dehors de tout cadre judiciaire, alors que vous êtes doté d'un mandat Légal, utilisez vos attributs en tant que force de l'ordre pour commettre des illégalités euh, et euh, détourner vos, instruments. Et ça, c'est quelque chose qui devrait particulièrement préoccuper euh, les Sénégalais, parce que lorsque vous avez des forces de l'ordre qui ne respectent pas l'ordre qui est adopté par le représentant du peuple, donc par la souveraineté nationale, la loi, eh bien, eh bien il y a de quoi s'inquiéter sur son destin personnel. Encore une fois, quelle que soit votre destination politique et vos idées politiques, il y a là, sens, un, problème fondamental. Donc évidemment, euh, euh, la situation de M. Sonko euh, participe pleinement à, ce que nous dénonçons pour une raison très simple, le ciblage politique dans grande partie de ces violences, dont il est une victime, dont ses cadres dirigeants de son parti sont victimes, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun acte de leur part justifiant l'usage de la violence, justifiant la répression, dont ils sont objets est inacceptable et, évidemment constitutif de la situation actuelle. Bonjour, euh, Et, pardon, et elle est elle est, ne serait-ce que parce que justement, en fait, elle signe, euh, elle signe le fait que ces violences sont commises à des fins politiques. Et c'est là où est on est sur un usage de violence qui n'est pas débridé ou qui n'est pas le fait d'un manque de formation des forces de l'ordre ou qui n'est pas fait du fait d'un. Au contraire, c'est-à-dire qu'il y a une violence qui est dirigée politiquement. Et donc il faut bien distinguer notre opinion politique notre appréciation ou non du programme politique d'Ousmane Sonko, de la coalition, de qui que ce soit, et le fait que pour le combattre, pour l'empêcher d'être entendu et reconnu par des suffrages, qu'il gagne ou qu'il perde, il y a un usage de violence qui, qui constitue, en fait, le crime contre l'humanité. Parce que l'attaque contre une population civile, générale ou systématique, en l'occurrence les deux, elle repose sur le fait que cette population civile soit ciblée. Et l'un des critères de ciblage, peut-être l'opinion politique. En fait, et donc le fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est un facteur aggravant, c'est un facteur constitutif du crime contre l'humanité. Le fait que ce soit justement un groupement politique identifié qui soit au premier titre euh, ciblé. Encore plus quand c'est un groupement politique qui, contrairement à ce qui a été affirmé, a priori en tout cas jusqu'ici, n'ordonne pas de violence et depuis des années au contraire les subit sans avoir euh, provoqué en retour. Euh. parce que je pense que c'est un argument peut-être plus spéculatif mais qui est important. Après ces années d'existence, si euh, la coalition, si M. Sonko avait souhaité euh, obtenir des armements, opérer une déstabilisation réelle et profonde du pays, euh, s'allier avec la Russie, la Chine, on ne sait quelle autre puissance pour faire entrer des moyens de provoquer une subversion au sein de ce territoire, il l'aurait fait. On est sur une situation, c'est là où c'est l'avantage de situation où la durée, la durée nous permet d'établir, de clarifier. Vous voyez, quand en mars 2021, M. Diom parlait de forces occultes, pourquoi pas Le ministre de l'Intérieur d'un pays souverain vous dit il y a des, euh, personnes infiltrées qui commettent des violences, etc. le doute pouvait exister et on attendait euh, que dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, qui suivent, euh, grâce aux forces d'enquête, des magistrats, etc., des éléments tangibles permettent de démontrer ces propos et à partir de là de dire bah oui peut-être qu'en effet hein, ça vient du politique etc. La réalité c'est que depuis mars 2021 et les allégations qui ont été entendues tout à l'heure, il n'y a aucune preuve qui est apportée de celle-ci. Je ne demande pas de, 700 preuves comme on l'a fait, euh, 4500 qui sont plus des éléments, des indices, etc. Mais au moins essayer, essayer d'établir quelque chose. Et quand ça a été établi, tentativement, lors de cette conférence de presse d'Ibrahim Diop il y a quelques semaines, on s'est rendu compte que les éléments qui étaient présentés par le gouvernement correspondaient en fait non pas à des manifestants infiltrés, non pas à des Guinéens, parce que ça aussi, la xénophobie, qui consiste à expulser 90 ressortissants guinéens parce qu'il est facile de les expulser pour essayer de leur attribuer la responsabilité de la situation, alors que, contrairement à ce qui a été affirmé, ils ne sont évidemment en rien responsables, ils n'étaient pas présents lors des manifestations, et qu'en réalité, les personnes que l'on montre sont des collaborateurs réguliers des forces de police et que l'on retrouve ensuite des dizaines de vidéos où on les voit récupérer des armes de la main des, polices, des policiers directement, rentrer dans des pick-up de police et agir de concert avec eux, et que donc l'infiltré supposé était en effet un infiltré, mais un nervi du gouvernement, eh bien, on se rend compte que ces campagnes de propagande et de désinformation ne tiennent pas. Et nous, ce que l'on a essayé absolument d'éviter, ce que je pense qu'on a réussi à éviter, c'est de rentrer dans ces jeux-là. C'est-à-dire qu'en en ayant une rigueur absolue sur la sélection des, éléments, en s'assurant qu'ils soient vérifiés une fois, deux fois, trois fois, s'assurer vraiment qu'ils se soient incontestables et que justement, on puisse revenir dans un an, dans deux ans, dans trois ans, sur les affirmations que l'on a faites, et à l'exact opposé des affirmations de M. Duham, se rendre compte que nous étions des hommes intègres, pour reprendre la terminologie utilisée par euh, une grande figure politique du continent, et que les propos que nous avons tenus étaient non seulement véridiques, mais vérifiés dès le moment où ils ont été tenus et que nous n'avons pas porté des accusations en l'air ou gratuitement. Bonjour, donc euh, Ibrahim News. Euh, je vais rejoindre Mme Bousso par rapport aux inquiétudes qu'elle a, a, pour le troisième mandat, le forcing. Et pour cela, permettez-moi de faire une, un parallélisme euh, pour moi, le président Maxal, c'est comme un automobiliste qui est conscient du danger de l'alcool et qui prend un véhicule et qui fait des dégâts considérables sur les humains. Euh, il a lui-même, dans des vidéos que tout le monde peut trouver, dire que le troisième mandat est un danger, euh, ça amène des tensions, beaucoup de personnes y perdent leur vie. Donc là, il lance le Sénégal dans cette route est-ce que euh, demain, les conséquences, pour moi, il y aura des conséquences humaines, des pertes humaines sur ce troisième mandat Est-ce que cela va, le fait qu'il est conscient lui-même de, se lancer sur cette voie, si demain, personne ne le souhaite, il y a des pertes humaines, est-ce que cela, euh, pour vous, euh, il y aura en tout cas du point de vue de la justice une considération différente, en tout cas une considération qui peut appuyer l'acte que vous menez là déjà à la CPI Bien sûr, ce sera un facteur aggravant une fois que sont qualifiés les actes que vous commettez, une fois que sont établies les responsabilités, si euh, la commission continue et s'aggrave de la même façon qu'il est déterminant pour cette démarche, et nous n'aurions pas pu la mener euh, si les violences avaient commencé seulement, entre guillemets, en mars 2023. L'existence des épisodes précédents, de mars 2021, a permis de démontrer non seulement la conscience, mais l'absence de nature incidente de ces violences en mars 2021, et au contraire l'usage déterminé et réfléchi de cette violence à des fins politiques. La cohérence des pratiques, c'est un élément très important dans la caractérisation d'un crime contre l'humanité, la répétition. La répétition à l'utilisation d'un schéma, un schéma qui reproduit les mêmes dispositions de violence. Et on a vu les mêmes actes, des actes très similaires se reproduire entre mars 2021 et aujourd'hui. Et c'est cela qui nous permet de fonder aujourd'hui, au-delà de la gravité des crimes en eux-mêmes, cette plainte et cette procédure pour crime contre l'humanité. S'il n'y avait eu qu'un épisode, cela aurait été compliqué. Cela aurait suffi à ouvrir un examen préliminaire, mais il aurait été compliqué d'aller au-delà et d'établir justement euh, cet usage-là. Aujourd'hui, nous avons suffisamment d'éléments sur une durée suffisamment longue pour pouvoir euh, en confiance saisir ces institutions. Je voulais vous remercier de votre présence, m'excuser de devoir euh, abréger cet échange et vous dire que nous resterons évidemment à disposition dans les jours qui viennent pour réagir en cas de questions ou d'événements supplémentaires. Et vous souhaitez bon courage à tous. Merci. Voilà donc mu nekkoon conférence de presse eh, Juan Branco bi mu daan Paris eh, conférence bi jeex na nag eh, on va prendre on va essayer de prendre quelques réactions de de de de, de, de, hein. de responsables qui sont là. Euh, may mën a déglu nga Juan Branco mu wax lu am solo mu ne plainte bi ban jàng ngay def ci conférence bi deux heures de temps yi nga xam ne moom la durée ban jàng nga ci def. j'ai déjà parlé, je vais la main à Juan avant. <laughs> d'accord d'accord elle dit qu'elle a déjà parlé Abbas maa ngi lay ziar. maa ngi ziar nga Paris waaw mais.

dal ay nit ñu am xel nekk fa muy réewum démocratie nekkoon référence le Sénégal nekk risée du monde liñ gis tey nii nii même man euh, image yi gisuma ko woon mhm. je savais pas que c'était je savais que c'était terrible mhm. mais xalaatu moo ne c'était horrible quoi mhm. liñ gis tey doy na waar trop trop trop gàcce la pour ñun gàcce la pour Sénégal mais nag na Macky Sall ak nguuram xam ne deret bi ñu tuur ci Sénégal daañu ko fay inshallah allah. parce que liñ sant fekk commencé. quel que soit le régime qui viendra. c'est ces poursuites-là vont continuer. Macky Sall devrait payer lui et ses affiliés tout ce qu'ils ont fait vraiment de mal au Sénégal vraiment tay gatché laa gatché euh, gàcce bu ne laa kon image yi yaa ngi koy oui mais amna yo yoo xam ko maa gis c'est terrible. mais image yi doy na waar ah image yi image yi mënu ko xool. doy na trop trop trop moo tax euh, ñun nous n'avons pas le droit de faillir quand même il faut mhm. suba daañu dem CPI incha pour gën a manifester foofu. kon suba yaa ngi yaa ngi si manifestation bi à 17h CPI. waaw waaw à 17h maa ngi CPI incha allah. incha allah fi ngeen di déparé Paris. fi la ñuy déparé manifestation 25 pour lever le ghetto, euh, le, le, blocus chez que c'est toujours maintenu, mais, oui, disant de préfet, préfet d'Arkei à Edem. Oui, mais comme d'habitude, comme ce préfet-là, moi je dis, ah. c'est un bras politique. Hmm. Le préfet-là, c'est, dans mon cas, c'est la plus grande euh, honte de l'administration territoriale au Sénégal. On n'a jamais vu un préfet comme ça. Euh, moi, je suis ça, mais c'est une honte pour nous. Il interdit systématiquement. Hmm. Euh, toutes les manifestations que l'on euh, toutes les lettres d'information qu'on dépose def parce que Macky Sall Macky Sall peut-être personnel la ko def te il est presque responsables de tout ce qui se passe dans ce pays. Parce que ça a eu amé à, Dakar, c'est à cause de ce préfet-là qui interdit systématiquement vraiment les, les, lettres d'information qu'on ne pas. C'est un préfet fantastique en rien. C'est un bon arien, même si je peux m'exprimer. À base dernière question, Macky le candidat, il m'a dit que la un candidat. C'est sûr un candidat. Non, xam nga candidat du l'affaire politique. C'est l'affaire des citoyens sénégalais. Les sénégalais ñom ñoy xol si nous permettre Maxal. loo xam ni may ñu ko woon Abdou Diouf may ñu ko woon Abdoulaye Wade du affaire politique yëpp la c'est l'affaire de tous les Sénégalais te bis bu jéemee déclarer sa candidature ah, bu boobaa dina xam ne Sénégal doon ko ci lay doon ko ci bàyyi te moom jërë ngeen jëf mu nekkoon la député Abass Fall daa ci ñëw teew fii ci ci ci ci Paris nekkoon si conférence Juan Branco bi mu nekk vraiment euh, ses réactions kii du nekk date na jeex conférence de presse bi yéen a koy gis euh, may mën a moom nee na moom réagir na ba pare du mën a waxat Euh, mu nekkoon euh, vraiment ay euh, ay ay déclaration yu yu yu yu doy waar mais li si gën a doy waar mooy vraiment image yi nga xam ne jot nañ ko diffuser fii te Juan Branco daal koy diffusé image yu yu xam ne kenn mënu ko wane dama ko doon jéem a filmer sax en direct mais dama ko mujj arrêté ndax dañuy wax ne image yi kenn mënu ko seetaan si si si si si si si Facebook bi moo tax mu daal dindi mais imagine euh, euh, si vous suivre na manifestation si vous image si mais imagine de branche Branco maintenant c'est la première fois que image de ni vous ni gis plainte bi euh, ci CPI maintenant c'est à la cour internationale à la cour pénale internationale de les poursuites le procureur de Paris Macky Sall mu nekk fii ci à Paris du jëlaat avion bi ñibbisi ak ñi mu àndal sa délégation ñi si cité ñëpp ils seront interpellés par le procureur de Paris mais nag loolu ça dépend du bon vouloir des autorités françaises et de la justice française loolu tamit euh, révélation boo xam ne Juan Branco daan na koy wax euh, mais li si jarale rat tamit mooy Juan Branco mais comme ku koy joxe source mais ku ku xam Sénégal yi la parce que li lim fi si ay nit ñoo xam ne ils sont dans le commandement ils sont dans le gouvernement, ils sont dans la justice, ils sont dans la police, ils sont dans la gendarmerie, ils sont dans l'armée, ils sont dans l'administration, ils sont dans les ministères, ils sont même des, hommes d'affaires et tout. Nous si ken kenn mësu gis adresse tout il est très bien informé euh, biñ parce que que dafa bëgg que maanaam defu waay defukaay def politique ñu defe ko neneen ñu lu mel nii mu Ousmane Sonko sax bu toogoon ba nekk jiitu réew muy defee beneen façon politique bu mel ne bii Macky Sall amal ba ñëpp xam ne politique ak aqi doomu aadama ñoo war a ànd moo tax mu jël engagement bu mel nii di ko def waaye leneen texul di ko def que ne moom pour duggul ci politique duggul ci ay ay xeex doomu aadama mais rien rek pour ñu respecter ak ak yelleef doomu aadama moo tax mu dugg si engagement bi muy def tey ensuite euh, Juan daat nay expliquer autre chose lim si waxaat mooy que ne moom inshallah bu amé yenen information yu bess dana woote waat beneen conférence de presse fi ci Paris daal indi ay yenen i leeral daal di koy eh, ci li nga xam ne mooy euh, mbirum euh, plainte bi nga xam ne déposé nako CPI. donc loolu daal mu nekkoon conférence de presse bi jeex na euh genn na nit ñi ñoo fi jot nek nit ñi def ay petite interview ñi di waxtaan ñi gisante gis ngeen la salle est en train de se vider donc ñu japp ne. Euh, loolu daal moo fi amoon fii ci euh, conférence presse Juan Branco bi di leen de di leen gërëm yéen ñu ànd ak Senejet euh, point info de façon lépp la xew ci Paris moom ak seen chaîne Senejet dara du leen si manqué ngeen continuer di ñuy soutenir di ñu encourager si li ñuy def ngir yéen dong tax ñu koy def de leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taala wa Nous remercions tout le monde de nous avoir fait confiance, de nous suivre euh, très souvent et que non la ñuy continuer euh, di ànd ak yéen toute l'actualité euh, sénégalaise bu am fii ci diwaanu euh, France jëm si wàllu réew mi donc mu nekkoon. seen mbokk Pape Cheikh Fall ci kàddu bi asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taala wa barakatu jërë ngeen jëf. Thank you.